forum le forum studio le forum studio le forum 18h passé de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le studio Kalango, pour rappel, diffuse ses programmes sur 31 radios à travers le Niger. Ces radios partenaires diffusent en direct les programmes du studio Kalango du lundi au vendredi entre 17h et 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. La détaxation des équipements solaires à l'importation, quel impact pour une meilleure accessibilité à l'énergie solaire au Niger c'est la thématique principale du forum de ce soir. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à la décision d'exonérer les équipements solaires à l'importation Quel impact peut avoir la taxation décidée récemment sur les équipements solaires Quelles sont les différentes parties qui profiteront de cette nouvelle mesure Existe-t-il un dispositif pour vérifier l'incidence de cette décision sur le marché Quels sont les autres efforts de l'État pour rendre accessible l'énergie solaire aux citoyens Qu'est-ce qui freine le Niger pour la réalisation de centrales solaires photovoltaïques ou thermodynamiques Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité Malam Issa Rabu, ingénieur en électricité au CODAE, collectif pour la défense des Droits à l'énergie. Bonsoir euh, Malam Issa Rabu. Bonsoir Monsieur Alassane. Également avec nous dans ce studio Bala Mohamed Rabiou, directeur de la promotion des énergies renouvelables. Bonsoir, monsieur Bala Mohamed Rabiou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Au micro Alassane Kouzi Mahamadou pour le forum de ce soir. Je le disais, ce soir, nous parlons d'accès à l'énergie solaire. L'énergie solaire est une énergie propre et renouvelable contrairement aux énergies fossiles. L'usage d'une telle énergie a l'avantage de contribuer à la réduction de gaz à effet de serre. Il contribue aussi à la création d'emplois et au développement d'une économie verte. En 2016, au niveau mondial, la production d'électricité solaire photovoltaïque atteignait quelques 315 terawatts soit 1,8% de la production totale d'électricité, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la part du solaire photovoltaïque dans la production mondiale d'électricité pourrait atteindre 16% en 2050. Au Niger, en matière d'énergie, aujourd'hui encore, plus de la moitié de ses besoins en électricité est fournie par le Nigeria voisin. Cependant, le pays est toujours en quête de son indépendance énergétique, en témoignent les programmes en cours, le cas du barrage hydroélectrique Kandaji et des projets achevés le cas de la centrale thermique diesel de Gourbanda. Le domaine de l'énergie solaire n'ayant pas encore fait d'objet de projets d'envergure, les populations, quant à elles, ont tendance ces derniers temps à s'acheter des kits solaires à usage domestique pour une utilisation permanente pour pallier le manque d'électricité en cas de délestage. À propos, le 13 septembre dernier, un arrêté conjoint entre le ministère de l'Énergie et celui des Finances accorde une exonération de taxes douanières pour les matériels et équipements importés. Les taxes pour la douane étaient, pour rappel, 33% et 19% pour la TVA. Désormais, il n'y a que 1% pour la CDAO et 1% pour lui et moi qui sont prélevés. Alors je m'en vais commencer tout de suite avec vous, euh, Monsieur Bala Mahamar Rabiou, directeur de la promotion des énergies renouvelables au, ministère de l'Énergie. D'abord, euh, dites-nous quelles sont les principales raisons qui ont conduit euh, à, cette décision des deux ministères, celui de l'énergie et celui des finances. Peut-être il faut un euh, euh, remettre les choses dans leur contexte. Et ça fait, ça fait quand même depuis 2000, euh, dans les années 2000, et, euh, après le sommet de Johannesburg, la communauté internationale s'est lancée vraiment dans le développement euh, du secteur de l'énergie, plus particulièrement euh, rendre l'accès universel à, donc à, l'électricité en tant que telle pour que toutes les populations puissent euh, en bénéficier. Et il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de programmes qui, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de encore faire beaucoup d'efforts pour que euh, l'accès à l'énergie ne soit plus un luxe, mais plutôt une nécessité de euh, la population. Et aussi, vous êtes d'accord avec moi pour lutter contre la pauvreté. C'est une des raisons aussi que la communauté internationale a avancé. Pour lutter contre la pauvreté, il faut euh, faciliter l'accès aux services énergétiques. Il faut améliorer euh, la qualité des soins de santé de euh, la population, plus particulièrement la population rurale. Il faut améliorer la qualité de l'éducation parce qu'on ne peut pas combattre la pauvreté avec l'ignorance. Et aussi, il faut amener de l'énergie dans les foyers pour que les enfants qui reviennent de l'école puissent réviser leurs leçons la nuit et retourner à l'école tout à, euh, avec un minimum de savoir. Alors donc, pour nous, l'énergie, avec son caractère transversal, est un élément incontournable si on veut lutter contre la pauvreté à l'heure actuelle, nous avons un taux d'accès à l'électricité en milieu rural du monde de 1%. On a tous les efforts qui sont en train de faire, en d'être faits. La population rurale, qui constitue la majorité, n'arrive pas à accéder à cette euh, énergie. Et c'est pour cela que le gouvernement, dans sa politique en matière de promotion l'accès universel à l'énergie, a décidé d'aller encore un peu plus loin en exonérant effectivement euh, l'importation des équipements solaires euh, pour notre pays. Je vous le rappelle que le Niger, c'est un pays qui est largement couvert par le soleil. Il faut le rappeler que c'est un pays aussi qui fait partie des premiers pays qui ont travaillé sur l'énergie solaire, si vous vous rappelez, le professeur Abdelmouni Il fait partie des premiers savants, en tout cas en Afrique et même dans le monde, qui ont compris trop tôt que cette énergie peut être une solution alternative au Niger. Donc, vraiment, c'est dans, le but d'améliorer la promotion d'accès aux services énergétiques que le gouvernement a décidé et donc d'apporter euh, euh, cette exonération aux équipements. Bien, nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole. Euh, Madame Issa Rabiou du CODAE, le collectif euh, pour euh, la défense du droit à l'énergie. Euh, donc on a parlé de cet arrêté. Quelle appréciation vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous faites de cette décision des ministères Je vous remercie de nous avoir donné cette possibilité. je profite pour remercier le Stadio Kalango qui de temps en temps nous invite donc euh, pour donner de, nos appréciations par rapport euh, à des questions nationales d'importance capitale. notre appréciation de cet arrêté conjoint, donc euh, c'est venu à point nommé. Mais je dois préciser que il fait suite à, à des combats que nous avons menés. Effectivement, il y avait une démarche mondiale qui incite à aller vers les énergies renouvelables. Et on s'est aperçu au Niger que les équipements qui rentrent dans le solaire par exemple, étaient constitués, étaient classés par le fisc comme étant des équipements de luxe, c'est-à-dire dans la liste des équipements de luxe. Et donc il y, a, il y a les taxes de douane à payer, il y a la TVA à payer. Et au niveau régional, il y a eu des démarches. Donc au, niveau communautaire, l'IMOA a pris des décisions, donc qu'on appelle critères de convergence, et pour arrêter ou maintenir la pression fiscale sur ces équipements. Mais malgré ça, certains pays de l'UMOA ont refusé d'appliquer euh, ces critères de convergence, notamment le Burkina Faso qui abrite même le siège de la Commission. Et pendant plusieurs années, certains pays, dont le Niger et le Sénégal, ont été les meilleurs élèves de l'UMOA. C'est-à-dire c'est eux seuls qui appliquent euh, tous ces textes communautaires. Maintenant, par après, l'IOMOA elle-même, elle, s'est rachetée, elle a vu qu'il n'y a plus de raison de continuer à taxer. Et elle-même, elle a décidé de ramener juste euh, la taxe de 1%. 1%. Oui. Donc, euh, mais malgré ça, au Niger, c'est toujours la taxe de douane, la TVA qui était prélevée parce que je disais tantôt que ces équipements étaient considérés comme des équipements de luxe. Donc, euh, en 2015, euh, il a été mis en place un comité pour changer la loi portant code d'électricité. Et dans, laquelle, dans ce comité, nous avons travaillé et nous avons renouvelé nos appels. Et donc, c'est cette loi qui a prévu euh, des, des, dispositifs qui vont venir après pour défiscaliser les équipements parce que la loi même appelle à un mouvement d'ensemble vraiment qui concourent à, à un accès à l'électricité pour tous. Concrètement, en quoi cette décision peut permettre aux populations euh, les plus démunis de profiter pleinement de, l'énergie solaire. Ok. Dès lors que l'État a décidé de renoncer à une grande demande, de renoncer aux taxes qu'il perçoit sur les équipements, ça veut dire du coup les prix sont appelés à chuter. 33% plus 19%, ça fait déjà 52%. Si aujourd'hui un panneau solaire de 50 000 en appliquant cette loi, sera, va coûter 25 000. Donc, euh, les équipements solaires, d'une manière générale, les prix sont appelés à, être réduits à 2,50%, à notre entendement. Donc la population crie, les équipements solaires sont chers. Maintenant, grâce à Dieu, le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances ont compris ils ont accepté d'enlever cet acte. Donc, ce qui reste, c'est juste le prix des équipements à l'achat et éventuellement le transport, comme on est un pays enclavé. Ça veut dire que ces équipements ne seront plus chers. A priori, ils sont à la portée des citoyens. Monsieur euh, Bala Rabiou du ministère de l'Énergie, donc je disais, vous êtes le directeur euh, de, la, promotion, de la promotion des énergies renouvelables. Qu'on a vu cette décision prise par euh, les deux ministères conjointement. L'idée, c'était de pouvoir permettre de faciliter l'accès facile. Comment est-ce que euh, le ministère peut vérifier l'effectivité de l'incidence de cette décision au niveau du marché Merci. Ce que je vais rappeler d'abord, euh, c'est un arrêté, euh, mais les modalités pratiques de mise en œuvre de cet arrêté ne sont pas encore vraiment définies. Donc, pour l'instant, j'attends un peu l'attention des uns et des autres. C'est un exercice un peu difficile, un peu compliqué, pas au niveau national, même au niveau régional. Le contrôle d'abord des équipements à l'importation, c'est un exercice qui est difficile, en tout cas pour distinguer parmi même les équipements entre qui, quel équipement peut être réellement épargné de la taxe ou pas. C'est un exercice difficile, même au niveau de la CEDAO. on était euh, au forum la semaine passée et c'est la même préoccupation. Mais euh, tous les États doivent continuer à travailler de manière à ce que euh, cette décision puisse profiter à la population. Deuxièmement, l'impact de cette décision, je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est qu'il y ait, pour ne pas de 100% quand même, la population du Niger dispose d'électricité. Si on facilite l'importation de ces équipements, c'est pour que le vrai pauvre qui n'arrive pas à accéder à l'énergie puisse disposer et développer le plus reculé du Niger. Donc, nous, on est certain que ça va avoir un impact positif, mais seulement, je dis, allons-y doucement. Il nous faut définir des modalités pratiques depuis le contrôle jusqu'à la mise, euh, donc jusqu'à l'installation de ce type d'équipement. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il ne faut pas que ça ait un effet pervers, en tout cas de ce qui est recherché au niveau de l'économie locale. Bien. Monsieur euh, Malam pensez-vous que cette exonération profitera euh, aux citoyens lambda ou aux grandes sociétés ou entreprises euh, euh, de la place qui sont euh, installées depuis et qui sont connues pour l'importation, la vente et l'installation des kits solaires. À mon avis, cette décision va profiter à tout le monde, donc y compris les individus qui veulent faire des petites installations solaires chez eux, et y compris les grandes sociétés qui font rentrer les équipements solaires. Mais je dois un peu compléter, monsieur le directeur, et pour euh, l'applicabilité de cet arrêté. En fait, euh, c'est un comité ad hoc qui a travaillé à l'ancienne DGE ou bien sous la direction de monsieur le directeur et que ces comités, dans ce comité, il y avait les douaniers, il y avait les gens de la DGI, il y avait tout le monde, il y avait la société civile, il y avait les commerçants Oui, et surtout les importateurs, les spécialistes des équipements solaires. Donc, dès lors que c'est arrêté est signé, surtout conjointement par le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie, donc je ne vois pas en quoi il faut attendre d'autres modalités pratiques pour commencer à l'appliquer, parce qu'il suffit de, dès la rentrée au pays, de montrer l'arrêté aux, aux douaniers dire que bon, voilà, votre ministre a signé. Et puis, c'est un comité dans lequel il y avait des douaniers. C'est pas un arrêté qui est sorti comme ça, non. C'est des gens qui ont travaillé pour réfléchir même sur les équipements. Il y a eu plusieurs journées de travaux. J'ai participé à certaines euh, journées. La question que j'ai posée, ce n'est pas par rapport à la taxe de taxation Oui. Par rapport à la consommation. Oui. Des matériels qui sont rentrés, qui ont été, euh, qui ont été exemptés de toute taxe, oui. qui arrivent il y a des, grandes entreprises qui achètent ces, équipements et qui sont exemptées de toute taxe. Comment est-ce que euh, ces grandes sociétés-là vont écouler ces produits et vont faire pour que le citoyen lambda puisse les acheter euh, moins cher il faut comprendre que les équipements solaires rentrent au Niger par plusieurs canaux, par plusieurs sources. Il y a, les voies des, sociétés privées dont vous parlez, mais il y a aussi des commerçants individuels, des particuliers qui, les font rentrer, qui, viennent de la Chine, de l'Inde, de, Dubaï avec un ou deux panneaux, un ou, une ou deux batteries, etc. Donc, en ce moment, nous nous disons que cet arrêté concerne tout le monde. Donc, n'importe qui qui fait rentrer les équipements solaires doit bénéficier de cette détaxation. Et par conséquent, donc c'est toute la population qui va bénéficier. Même l'individu, un simple fonctionnaire qui veut avoir une petite installation solaire, n'a pas besoin d'aller chez une grande multinationale pour acheter les panneaux. Il peut acheter ça à Katako, au grand marché, avec euh, ses commerçants qui rentrent de la Chine, de l'Allemagne, du Japon, avec ces euh, panneaux. Bien. Monsieur Bala Mohamed est-ce que la qualité, on a vu qu'il a dit, y a plusieurs euh, façons de faire rentrer ces équipements, euh, que ce soit des, firmes, des grandes entreprises qui le font rentrer ou euh, tout simplement des, grands commerçants. Est-ce que la qualité de, de, ces matériels vous importe Effectivement. si nous faisons de la promotion des énergies renouvelables et surtout de l'énergie solaire que nous disposons en grande quantité, c'est parce que d'abord nous sommes convaincus que c'est une solution alternative. Mais il ne faut pas aussi la qualité des équipements soit banalisée à tel point qu'on accuse que c'est l'énergie solaire même qui n'est pas du tout viable, alors que ce sont les équipements qui ne sont pas bons. D'accord et tout à l'heure, quand je parlais, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un effet pervers de ce qualité. C'est ça que j'ai dit, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Quelqu'un va aller payer un équipement de, de haute gamme, de très bonne qualité, à 1000 francs. Quelqu'un va aller payer un équipement à 25 francs. Et quand il va venir, il va le vendre au moins prix que celui qui a acheté un équipement de très bonne qualité. Comment vous allez apporter une appréciation, un jugement donc c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et deuxièmement, notre objectif, ce n'est pas d'enrichir les grandes firmes. Non. Nous, c'est de permettre à cette population rurale. Et même Oui, mais, oui bien sûr, mais surtout rurale, qui constitue une majorité, ah de lui faciliter l'accès, de le permettre aujourd'hui et donc de disposer facilement de cet équipement de leur foyer. Donc, euh, la qualité, ça importe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de manière à ce qu'il y ait un contrôle de qualité de tous ces équipements qui vont passer au Niger. Il y a le Centre national d'énergie solaire. On est en train d'apporter des réformes à ce centre pour qu'il puisse contribuer. Il a toutes les compétences et donc ce centre doit contribuer effectivement à la certification donc de tous les équipements qui vont entrer, de façon à ce qu'il n'y ait pas effectivement des, euh, des effets négatifs sur l'ouverture euh, donc euh, de ce marché. Donc voilà ce que je peux dire. Bien. Madame Issa Rabiou, on sait que quand tout cela va être en branle, il y aura donc des équipements qui vont être vendus ça et là. Leur installation, c'est aussi du travail. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Nigériens euh, ont suffisamment les compétences nécessaires pour euh, l'installation euh, et l'utilisation de, ces, matériels Vraiment, ceux qui font les installations doivent être professionnalisés. Donc, je ne dis pas que les jeunes qu'on a dans les quartiers qui bricolent euh, sont vraiment qualifiés pour faire les installations solaires. Parce que une installation solaire, c'est un compte plusieurs choses. Même si les équipements sont bons, si l'installation est, mal faite, donc le rendement sera faible. Et donc, comme préoccupation, c'est la professionnalisation des installateurs. Donc, euh, le ministère en charge, par exemple, de la formation professionnelle ou bien autre structure de l'État qui appuient la jeunesse dans la formation doivent euh, mettre au point, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, des modules des modules de formation pour bien recadrer les jeunes qui sont dans ce domaines. Parce que je suis sûr que si ce n'est pas une société qui va vous faire l'installation, je vous avoue que les compétences n'existent pas. Donc, mais si c'est une grande firme, là, là elle, a les compétences. Mais là, à ce moment, ce n'est plus à la portée de tout le monde puisque eh, la société va vous facturer lourd. Bien. Nous abordons la deuxième euh, partie de cette émission concernant les limites <laughs> éventuellement et les perspectives. Si on vous demande d'analyser euh, cet arrêté euh, conjoint euh, qui a été prise, notamment en ce qui concerne l'exonération d'un certain nombre d'équipements et de matériel solaires euh, euh, solaire. Mhm. Est-ce qu'on peut déceler quelques insuffisances Ok. Donc, même si quelqu'un décèle un manquement, tout travail humain n'est pas parfait. Quand vous lisez l'article 4 de cet arrêté, il dit la présente liste sera révisée annuellement par les services compétents du ministère en charge de l'énergie et c'est des finances. Donc, il est déjà prévu un mécanisme de révision, au cas où de euh, on constate des, défaillances ou si on a omis certains équipements. Donc, le législateur a prévu ça. Une porte d'ouverture. Une porte d'ouverture qui permet chaque année de regarder, d'ajouter ou d'enlever s'il le faut. Donc, euh, vraiment, le législateur a prévu ça et nous nous de la forme euh, de cet arrêté. De, l'arrêté. Monsieur Bala Mahamarabu, directeur des, énergies renouvelables, qu'est-ce qui fera le Niger pour passer euh, à la vitesse supérieure, si j'ose dire, notamment la réalisation de centrales photovoltaïques ou euh, thermodynamiques Bon, merci quand même de cette question qui me semble quand même. <laughs> Euh, elle est vraiment pertinente parce qu'on ne peut pas expliquer un pays, comme je le disais. Vous avez dit que nous <coughs> Niger été pionnier en citant voilà, Abdou oui, Depuis euh, euh, donc, le fait professeur Abdou Dioufo et que ce sera aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que les travaux du fait Abdou Dioufo, c'était des travaux sur l'énergie solaire thermodynamique doucement, doucement aussi, je pense que euh, les, travaux, euh, les chercheurs sont en train de revenir même sur ces travaux. Mais aujourd'hui, la technologie la plus diffusée, c'est la technologie euh, photovoltaïque. Mais je trouve qu'on ne peut pas dire que le Niger est en retard. quand on fait, bon, moi je pas les, les, chiffres en main, mais quand on regarde c'est un mouvement d'ensemble de toute la communauté internationale. Pour ce qui est du cas du Niger, est-ce que c'est euh, le, choix technologique euh, qui pose problème, notamment faire le choix entre euh, qu'est-ce qu'on doit faire On doit faire, on doit passer d'abord par le thermodynamique ou par les photovoltaïques, ou bien c'est des problèmes de financement qui bloquent encore. Bon, avant de parler des problèmes de financement, le choix technologique, c'est clair. Il n'y a aucun doute. Le photovoltaïque, aujourd'hui, ça qui est dit, c'est diffusé. vous partez dans les villages, vous allez trouver ce qui est en train d'être utilisé. Et il y a des efforts qui se font au Niger. Il y a des efforts, il y a beaucoup de projets et programmes qui sont en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la diffusion de cette technologie. Et pourquoi pas la thermodynamique par euh, Je pense que, en tout cas, euh, <laughs> le Niger euh, n'a pas beaucoup développé cette technologie, mais il y a des chercheurs qui sont là, qui sont en train de travailler et qui sont en collaboration avec les, autres universités. Donc, et, ça, c'est à l'image des autres pays et la thermodynamique, le solaire thermodynamique n'est pas très, développé partout. Vous allez trouver ça un peu situé aux États-Unis, euh, quelques centrales euh, en Europe, mais c'est pas ce que vous pensez. Hein. Donc, Nous euh, avons donné un pourcentage, effectivement, ah, l'énergie solaire reste encore. non, on parle de thermodynamique d'abord. Maintenant, on revient sur le photovoltaïque. les centrales que vous entendez on est en train de construire par-ci, par-là, mais le Niger aussi est dans la dynamique. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui viennent, mais il faut que nous soyons prudents. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes dans une récession économique. Aujourd'hui, l'État ne peut pas aller s'endetter pour venir construire une centrale. Ce que nous sommes en train de promouvoir, c'est plutôt eh, le partenariat public-privé et des investisseurs qui viennent avec leur financement. Et ça aussi, il faut que nous fassions beaucoup attention. Il y a des textes, il y a des lois qui cadrent euh, donc ce genre de, contrat. Donc, nous sommes en train de travailler de manière à ce que lorsque nous faisons un projet, et qu'il soit un projet réussi. Et donc, euh, c'est la, technologie photovoltaïque, ça, il n'y a aucun doute, nous sommes euh, vraiment, elle la mieux envisagée aujourd'hui, mais même l'autre technologie n'est pas laissée de côté. Ah Donc, euh, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et qu'il eh, y a une question de financement, mais nous sommes prudents, nous regardons, nous examinons et nous allons lancer eh, un appel d'offres international pour les premiers projets et de la construction des centrales. Bien, nous allons revenir, euh, nous allons donner d'abord la parole à Madame Issa Arabiou, le temps de venir développer un peu les projets que le Niger, euh, donc les autorités nigériennes envisagent pour les Nigériens, notamment dans ce domaine. Monsieur Malam Issa je vous repose la question. Vous comprenez aujourd'hui que le Niger ne puisse pas euh, développer cette technologie, ne puisse pas avoir ne serait-ce qu'une euh, centrale d'une capacité euh, moyenne, centrale solaire, que ce soit dynamique ou euh, thermodynamique ou photovoltaïque Oui. nous, on ne comprend pas ça. Et pour nous, l'État du Niger a beaucoup traîné l'épée. L'État du Niger a beaucoup dormi. Sinon, en tant que pays natal, ou terre natale du professeur Abdelmoumni. Si en Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui a, arrive à construire la première centrale solaire, ça doit être pour nous le Niger. Mais je vous apprends le Burkina à centrale, le, le Mali en a, le Sénégal en a, le Maroc, le en a. Donc, où est le Niger Terre natale professeur professeur Mouni, rien que pour sa mémoire, le pays devait se donner le moyen pour être le premier pays africain. Ou même si ce n'est pas à l'échelle de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Niger doit être le premier pays qui a sa centrale solaire. Mais malheureusement, on n'en a pas. Donc, euh, on n'a que des projets. On n'a que des projets. le directeur va vous détailler tout de suite. Mais pour nous, vraiment, c'est un regret et que le Niger a, beaucoup Qu'est-ce qui explique, selon vous, cela Vous avez dit que l'État a beaucoup dormi. Est-ce euh, développé Ce que vous pouvez développer davantage, c'est que vous appelez l'État a beaucoup ah, dormi. Bon. Est-ce que c'est la volonté politique qui manque c'est, l'instabilité que le pays a connue. Et puis, il y a même la volonté politique. Il n'y avait pas une vision à long terme de, de l'énergie. C'est tout ça qui ont manqué. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de documents que le Niger devait avoir en matière énergétique qu'il n'a pas et que c'est maintenant même qu'on est en train de faire. Des visions à long terme de ce que le pays doit être énergétiquement à l'an 2035, à l'an 2040. Tous ces documents-là, c'est maintenant qu'on est en train de... Alors que cela aurait été, euh, aurait dû être fait depuis longtemps. C'est pourquoi nous disons que le pays a beaucoup d'hommes. Monsieur Bala Mohamed Rabiou euh, du ministère de l'Énergie, est-ce que vous partagez son avis quand même que euh, euh, le manque de, vision sur le long terme a, beaucoup joué en défaveur du Niger pour aller dans ce sens Moi, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, nous sommes en train d'élaborer des stratégies allant dans le sens du développement de ce secteur. Et effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas cité le code que euh, mon collègue Arabi a parlé. Et donc, le code d'électricité a permis donc d'ouvrir ses portes. Et des chapitres spéciaux ont été réservés, par exemple pour l'énergie renouvelable. Et il y a eu euh, des décrets qui ont suivi et qui essaie de soutenir cette dynamique. Donc, euh, euh, à mon avis, nous devons travailler davantage euh, pour permettre vraiment de faire rapidement bénéficier à cette population de, les avantages de l'énergie solaire que nous disposons, que nous pouvons suffisamment produire, nous pouvons exporter et on peut développer la culture. Donc, le gouvernement on est conscient et nous vous assurons que nous sommes en train de travailler et pour qu'il y ait des centrales solaires et des projets de centrales solaires, des sociétés viables. Bien. Euh, parlant de, projets, pour, devant mettre en place euh, ces centrales, est-ce qu'on peut avoir une idée des grands projets euh, et petits projets sur le long, le court terme que les autorités nigériennes, l'État du Niger envisage pour sa population Vous savez, le, Niger, c'est un pays vaste, très vaste, et que donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, quel que soit notre moyen, on ne peut pas tirer des lignes à mener dans n'importe quel coin de ce pays. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller sur deux possibilités. Il y a ces centrales qui vont contribuer à améliorer donc la capacité de production qui vont être injectées dans le réseau. Pour la Nigélec Pour la Nigélec. Mais il y a aussi des centrales qu'on peut faire et sous forme de mini-réseaux et qui vont être isolés mais qui vont couvrir des zones les plus reculées. Et qui vont être gérées par l'État ou par des, PME, des, des e, moyennes entreprises peut-être La politique du gouvernement, c'est d'encourager les privés à aller tout à l'heure, je disais qu'il y a des investisseurs qui viennent, qui viennent avec des projets. Et ces gens-là, quand ils viennent, c'est eux qui proposent leur propre financement. Mais nous nous sommes dit qu'il faut que ce soit cadré. Et c'est pour cela que, quand vous voyez au niveau de, la présidence, il y a le Haut Conseil aux investissements. Ça, ça, ce sont des actes qui ont été faits pour améliorer le cadre. Il y a la cellule d'appui au partenariat public. Ça, c'est pour accompagner les privés qui vont venir investir au Niger. Donc, quand les investisseurs ils sont là et que le projet il est viable et il répond à tous les critères, les centrales vont être construites. Mais nous sommes dit que ceci ne pourra être fait que lorsqu'on s'assure qu'effectivement le projet il est viable. Il faut qu'il y ait des études de faisabilité. Il faut qu'on s'assure effectivement que il va être rentable économiquement. Et parce que les, centrales solaires, ce sont des contrats sur 20 ans, 25 ans. Ce sont vraiment des contrats à très longue durée de vie. Donc, vous avez des centrales qui vont être injectées, connectées au réseau, mais il y aura des mini-réseaux. Et là, nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour créer un cadre réglementaire, créer un environnement propice. Nous avons tout récemment fait le lancement du prospectus d'investissement et ce processus d'investissement va permettre à tous les opérateurs privés du Niger et aux projets publics de constituer un document stratégique qui facilitera donc c'est-à-dire qui permettra aux investisseurs de venir en face de ces projets et d'avoir des décisions beaucoup plus souples pour nous permettre de construire ce central. Donc, euh, vraiment, beaucoup de choses sont en train de, de faites par le gouvernement. je comprends bien, on est pressé, mais je pense que mieux vaut aller sur des structures que vraiment de tomber sur euh, un projet qui n'est pas du tout viable. Suite à une étude menée par le cabinet français Nodalis en vue de mettre en place l'ensemble des outils techniques et financiers euh, juridiques euh, permettant au gouvernement du Niger de programmer et d'accélérer la mise en service de centrales de production d'énergie euh, renouvelable au meilleur coût, au meilleur moment, et aux endroits stratégiques du réseau électrique. Il a été retenu ce qui suit la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW à Gourubanda euh, à Niamey. Ce projet est financé euh, par l'agence française, sera financé par l'agence française de développement pour un coût estimé à environ 17 milliards, même si euh, l'approbation du dit financement est entendue fin octobre. ou en est par rapport à ce projet Le projet suit son cours normalement. Et peut-être même on peut faire mieux. Au lieu de 20 MW, peut-être on peut aller au-delà. Donc c'est un projet qui se porte bien et très bientôt euh, le processus va être bouclé. Bien. Euh, il y a aussi euh, toujours dans ce, projet, il y a cette prévision de construire toujours des centrales solaires photovoltaïques, un partenaire à, travers le partenariat public-privé. 10 MW à Lossa, 10 MW à Maradi, 10 à Zender. Qu'en dites-vous Là aussi, le processus se passe très bien. Et effectivement, il y a eu une étude sommaire. C'est une étude sommaire qui donc, nous a laissé faire. Et il a identifié des sites. Des sites de Losa, Dosso, Gasselbodi, Marandi, Gazawa, Sander, n'est-ce pas Donc c'est une étude sommaire qui a été faite pour identifier les points d'injection possibles sur le réseau de Qui dit injection, ça veut dire que donc il y aura une augmentation de puissance de transit dans ce réseau. Mais il faut des études de faisabilité. Et là, nous sommes en discussion avec la Banque mondiale qui a accepté de financer des études de faisabilité, comme vous l'avez dit, pour passer à la vitesse supérieure. Euh, Monsieur Malamissa qu'en pensez-vous de, de, tous ces projets en vue Leur faisabilité Bon, c'est des projets qui sont très faisables. Parce que il a été. Moi, j'ai vu une autre étude euh, dont j'ai oublié la source qui dit que, quand même, le Niger est un pays où tous les projets solaires peuvent réussir même si on va fabriquer les, cellules photovoltaïques, même au Niger, nous avons un sable riche en solution. Donc, euh, il n'y a pas de doute, tous ces projets ont la chance de réussir, puisque euh, nous sommes l'un des pays les plus ensoleillés du globe. Donc, il y a l'ensoleillement, et puis il y a des espaces, si c'est le photovoltaïque qui est retenu, donc il y a des espaces pour des champs, des, champs solaires euh, de, de, de, grands, de espaces. Et donc, euh, pour, pour ça, il n'y a aucun doute, tous ces projets envisagés peuvent réussir. Pensez-vous que le Niger gagnerait mieux à mettre l'accent sur euh, le solaire Bon, bien sûr que oui, le Niger a intérêt, puisque c'est une démarche mondiale. Mais il faut comprendre que le solaire, là, comme dans ton introduction, tu as parlé du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. Si on veut faire des centrales solaires de grande puissance, ce n'est plus les photovoltaïques. Il faut 200 MW, 300 MW, ça c'est des solaires thermodynamiques qui ont besoin euh, encore euh, d'autres types de compétences que peut-être on n'a pas. Mais les solaires photovoltaïques, euh, à la limite, elles sont petites et c'est juste, elles seront de façon isolement faites pour tantôt desservir des localités bien définies. Maintenant, si elles sont à côté d'un réseau ou d'un mini-réseau, elles peuvent injecter dans le mini-réseau. C'est ça qu'il faut. Votre mot de conclusion, nous sommes pratiquement à la fin. Bon, nous remercions le studio Kalangou de nous avoir conviés à cet échange important. Maintenant, pour ce qui est vraiment de cet arrêté, pour nous, il est, il est venu à point nommé et nous demandons aux ministères qui ont conjointement mis ça. Donc, si euh, ils vont élaborer un autre document pour la mise en œuvre pratique de cet arrêté, donc d'accélérer le processus parce que nous nous sommes pressés et que pour nous, dès aujourd'hui, cet arrêté est directement applicable. Bien. Monsieur Bala Rabiou, directeur des énergies renouvelables, votre mot de conclusion euh, Merci. Euh, peut-être euh, j'aimerais ajouter une chose par rapport à cette centrale. Il y a la centrale solaire de Malvaza qui va euh, Gadez va démarrer. nous espérons que même. Donc, vraiment, euh, le processus est très avancé. D'accord Et par rapport à l'arrêté, je pense que c'est un premier pas qui a été fait et, et que, Inch'Allah, on va continuer de le but euh, d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est euh, un défi que nous devons relever tous en tant que Nigériens. Euh, je dis, il est inexplicable de dire nous sommes au stade du troisième millénaire. Il n'y a que des villages et des ménages, quand on rentre dans le Niger pour voir, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une ampoule et l'énergie solaire peut être la solution. Et l'énergie solaire peut être la solution. Je vous remercie. <laughs> fin du forum de ce soir. Nous étions en compagnie de Mahaman euh, Malam Issa Rabiou qui est membre du CODA ingénieur en électricité du CODA collectif pour la défense du droit à l'énergie et Bala Mohamed Rabiou qui est directeur des énergies renouvelables, renouvelables au ministère de l'énergie. Merci à vous d'avoir été des nôtres pendant ces 45 minutes. Bonsoir à tous.